le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Seigny Yubakaka. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz, Amphani FM 100 MHz et Kwarategi 90.9 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions ainsi que dans une vingtaine du département du Niger. Notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Ce forum vise à échanger autour de l'importance de la monnaie unique pour la zone ouest africaine, les raisons du report de l'échéance de 2020 et l'impact socio-économique de ce projet sur la zone. Créée en 1975, la CDAO regroupe aujourd'hui 15 pays totalisant 300 millions d'habitants qui utilisent des monnaies différentes. Huit de ces pays ont en commun le franc CFA. Arrimés à l'euro, et sont rassemblés au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UMOA. Mais chacun des sept autres pays de la CDAO a sa propre monnaie. L'escudo pour le Cap-Vert, le Dalassi pour la Gambie, le CEDI pour le Ghana, le franc guinéen pour la Guinée, le dollar libérien pour le Libéria, le Naira pour le Nigeria et le Leone pour la Sierra Leone ces monnaies ne sont pas convertibles, ces monnaies ne sont pas convertibles entre elles. L'ECO est le nom de la future monnaie unique des 15 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest Son introduction initialement prévue pour décembre 2009 a été reportée à janvier 2015 avant d'être signalée comme étant au point mort en 2014. La monnaie doit demeurer une monnaie commune pendant quelques temps avant la disparition des monnaies nationales en 2020. Malgré des progrès sur la convergence macroéconomique, les résultats sont faibles et donc nous ne pouvons pas aller en 2020 à la monnaie unique, a annoncé le président de la commission de la CDAO, Marcel Dessouza, à l'ouverture d'un sommet des chefs d'État de la CDAO à Niamey. Récemment, pour faire le point, 30 ans après le lancement de l'idée de monnaie unique. Les présidents du Niger et du Ghana avait été mandaté en 2013 pour coordonner la marche vers la monnaie unique de la CDAO qui comprend 15 pays. Une task force avait été créée en 2014 pour les pourquoi la feuille de route visant à aboutir à cette monnaie unique n'a pas été vigoureusement mise en œuvre Où en sommes-nous par rapport à l'harmonisation des politiques monétaires, quels sont les cadres propositions soumises aux chefs d'État en vue d'accélérer la naissance de la monnaie unique Telles sont, entre autres questions, auxquelles ce forum tentera d'éclairer l'opinion. Nos invités pour départ de cette question, M. Tarnou Maman, enseignant-chercheur en économie à la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Niamey, et M. Abdou Hassan Maman, enseignant-chercheur en économie à la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Niamey. Monsieur Tarnoumaman, d'abord, euh, pourquoi une monnaie unique pour la zone Je vous remercie, Monsieur Seni Ayoubakaka. Je profite de l'occasion aussi pour féliciter votre maison, Kalangou, qui est en train de faire un travail de service public. Euh, ceci dit, donc, je reviens à votre question. Euh, pourquoi la monnaie unique pour les pays de la, de la CDAO je, n'ai pas la prétention vraiment de, vous donner toutes les raisons. Je vais vous dire un certain nombre de raisons qui peuvent eh, justifier, si vous voulez, le débat actuel. Et enfin, le retour, en quelque sorte, en force eh, des discussions autour de cette question de monnaie. Donc les raisons, vraiment, c'est lié un peu à la situation de stagnation économique que nos pays connaissent, qui se traduisent par une persistance de la pauvreté et par euh, l'ampleur prise par le, par le chômage, et notamment des jeunes qui ne savent plus à quel sens se vouer, qui n'ont pas d'emploi. Et c'est aussi lié au pouvoir d'achat, parce que, euh, vous le savez, quand on parle de pouvoir d'achat, la monnaie, est tout de suite, euh, si vous voulez, impliquée elle est en cause euh, parce que à cause de l'inflation. Euh, donc, euh, pour ces différentes raisons, les gouvernements sont préoccupés de trouver des solutions à ces problèmes qui sont assez cruciaux. je crois que les gouvernements ont à leur disposition plusieurs instruments, dont la monnaie. Et ces dernières années, je crois que ce n'est pas un secret, tout le monde sait les récriminations des jeunes par rapport à, au CFA, au franc CFA. Et ça, c'est un problème, j'allais dire, euh, un problème euh, politique, puisque les gens, euh, beaucoup de gens trouvent que ce CFA-là, ce n'est pas notre monnaie. on voit derrière la, le colonisateur et les gens veulent d'une manière ou d'une autre, trouver des solutions ou de rupture, ou en tout cas des solutions en tout cas différentes de ce que nous connaissons jusque-là. Donc tous ces différents problèmes réunis peuvent expliquer les raisons pour lesquelles on peut poser ce débat, sans oublier aussi le fait que, quand même, euh, si dans notre espace au moins c'est un espace, si vous voulez, de quelques pays. Et si on élargit et euh, aux autres pays, euh, la zone France c'est euh, une dizaine de pays et qui cohabitent avec des pays, si vous voulez, d'une autre obédience, les pays notamment anglophones comme le Nigeria, le Ghana, avec lesquels nous échangeons beaucoup. Et qui dit échange dit monnaie. Donc, on ne comprend pas pourquoi, si vous voulez, on va rester cloisonné dans cet espace des pays de l'UMA où nous utilisons la même monnaie et surtout que nos échanges ne sont pas si étoffés, ça à les échanges intracommunautaires ne sont pas si étoffés que ça, alors que contradictoirement, nous avons des échanges assez développés avec des pays, même s'ils sont informels, ça je, je le conseille à ceux qui le pensent ainsi. Et, donc, euh, euh, ces pays-là comme le Nigeria, si vous prenez l'exemple du Niger, le Bénin, le, euh, même le, Tchad, euh, le Cameroun, ces pays-là vivent plus ou moins ou subissent d'une manière assez importante les influences de, l'évolution de, l'économie du Nigeria. D'accord. Abdou Hassan Maman, est-ce que vous partagez ce, point de vue de Darman <laughs> Bon, en partie, oui. D'abord, moi, je regarde euh, ce qui se passe au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il y a déjà cette monnaie unique dont vous parlez. C'est le franc CFA. Certes, cette monnaie est instituée par le colonisateur. Et quand on regarde le processus d'intégration économique, eh bien, l'union économique et monétaire à inverser euh, les étapes, puisque les étapes de l'intégration ont été définies et presque tout le monde est d'accord avec ça par Balassa en 1961. On parle donc de la question du libre-échange. Du libre-échange, on va au, à l'union douanière, c'est-à-dire là, il y a un tarif extérieur commun entre donc les pays. Et maintenant, à partir de ça, on va à ce qu'on appelle donc marché commun. Le marché commun, comme ce qui s'est passé en Europe. Et du marché commun, on va donc à l'union économique et monétaire entre les pays. Et ensuite, aller vers la phase ultime et qui est tout simplement l'union économique. moins n'a pas suivi effectivement cette étape-là. Parce que c'est le colonisateur qui a imposé une monnaie et cette monnaie-là continue donc à, évoluer dans eh, cet espace. Maintenant, les États veulent effectivement élargir ça au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Parce qu'une partie donc, des pays de la CDAO, eh bien, chacun a sa propre monnaie. Et ils sont engagés dans un processus de régionalisation, c'est-à-dire de l'intégration économique. Et l'objectif de l'intégration économique, c'est quoi C'est créer les conditions de proximité économique nécessaires pour développer les échanges, pour faire en sorte que les infériorités économiques qui se trouvent dans les différents pays soient complètement laminées et aller vers donc un taux de croissance assez élevé. Mais des problèmes entre même les pays qui n'ont pas cette euh, même monnaie surgissent. Puisque ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler de ça. On a dit, euh, c'est la seule, hein, il dit aux, pays donc, qui ne sont pas les pays membres de l'UMOA, donc de créer une seconde zone monétaire. Ils n'ont pas réussi jusqu'aujourd'hui à créer cette zone monétaire. Pourquoi Parce que les États, pour la plupart, sont jaloux de leur propre monnaie. Il est très difficile qu'ils arrivent donc à créer une monnaie unique comme ça. Et les raisons sont simples. Elles peuvent être d'ordre politique comme aussi elles peuvent être d'ordre économique. Parce que dès lors que vous créez une monnaie unique, vous n'avez plus la politique monétaire en tant qu'État pour manipuler donc le taux de change. Et donc si vous avez quelques difficultés économiques, créez les conditions pour et assainir ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, chacun doit respecter ce qui se passe au niveau communautaire comme ce qui se passe au niveau de moins. De telle sorte que les États aujourd'hui sont plus ou moins réfractaires à ça. Et c'est ce qui explique justement cette réticence qui fait que c'est difficile d'aller vers cette monnaie unique. Et de toutes les manières, la monnaie unique, la créer, ce n'est pas aussi simple et simple qu'elle puisse fonctionner comme on le pense. Regardez l'Union européenne eux-mêmes. Aujourd'hui, ils ont une monnaie unique et ça pose énormément de problèmes. Pourquoi Parce que la monnaie unique n'est pas allée avec la politique budgétaire. Il faut les deux si on veut donc que ça soit une politique efficace. Si on ne part euh, euh, pas, avec les deux, c'est-à-dire c'est comme si on va à moitié. Et ça pose énormément de problèmes. Des pays vont connaître des difficultés. Ils ne peuvent plus gérer les taux de change pour justement créer les conditions pour faire en sorte que leur balance commerciale, si elle est déficitaire, eh bien, retrouve sa situation d'équilibre. Ce n'est pas possible. Et là, les États seront obligés de faire ce qu'on appelle la dévaluation réelle, c'est-à-dire tout simplement regarder donc le, droit de douane, les ceci, faire des taxes, etc., créer des conditions pour que même le, au, niveau salarial, ça va coûter excessivement cher. D'accord. Mais est-ce que cette monnaie unique peut être euh, considérée comme, euh, elle peut être synonyme d'indépendance euh, économique pour nos États. Vous savez, moi je parle, moi je suis un peu prudent sur cette question d'indépendance économique. Il n'y a pas un pays au monde qui va se dire que moi je suis indépendant économiquement. Il n'y a pas. Je l'ai dit l'autre fois, même les États-Unis dépendent des autres. Vous pouvez dépendre tant du point de vue de l'offre, c'est-à-dire ce que vous produisez, vous voulez les vendre à l'extérieur. Donc, il vous faut des partenaires de ceci. Donc, vous dépendez d'eux. Et ensuite, vous-même, vous avez besoin de certain nombre de produits, que ce soit des produits de consommation ou des produits ou des intrants que les industries vont pour permettre aux industries de bien fonctionner, vous êtes obligé donc de faire appel aux autres. Donc l'indépendance économique n'existe pas il n'y a que l'interdépendance à travers le monde, quels que soient les pays. Bon, les plus grands pays qui généralement commercent un peu moins par rapport aux plus petits, et, ils peuvent se targuer de le dire. Mais même là, je vous dis qu'ils seront obligés de composer avec les autres. Donc euh, le, problème qui va se poser ici, c'est au niveau de la CDAO. C'est le problème même, il a soulevé ça du commerce intra-CDAO. Il est très faible quand vous les regardez. Regardez, au niveau de la CDAO, le commerce, c'est autour de 8-9% entre les pays. C'est au niveau de l'UEMOA qu'il est un peu plus élevé, qui se trouve autour entre 11 et 12 Alors que si des pays qui sont proches échangent entre eux, on devrait avoir le niveau de commerce doit être autour de, de 50 et plus. Quand vous prenez les pays asiatiques, eux qui n'ont même pas une intégration est officielle, elle est, elle est presque informelle. Mais le commerce est autour de 52% entre les pays de l'Asie industrielle. Quand vous prenez l'Union européenne, le commerce entre les pays, c'est autour de 70 à, à, 72%. Et ici, le commerce est très bas. Nous commerçons plus avec les pays étrangers qu'avec nous-mêmes. Et quand vous prenez le cas des pays qui sont même de l'Uomo, le Niger, le Burkina, Faso, le Mali, on partage la même monnaie. Mais quand vous regardez la matrice commerciale, elle est nulle. Partout, vous trouvez des, zéros, le commerce est presque nul. mais dans ces conditions-là, comment pouvons-nous même parler de l'intégration économique Ça pose des problèmes. Nous sommes des pays plutôt concurrents que complémentaires. Alors qu'on pourrait bien être complémentaires lorsque justement on doit faire le commerce non pas inter, sectorielle mais intra-branche. Je vous prends l'exemple, il avait un peu souligné ça, l'exemple de, de l'élevage au Niger. Le Niger produit donc des animaux. Le Burkina produit des animaux, euh, le Mali produit des animaux, mais c'est des animaux sur pied et nous sommes concurrents entre nous. Alors que dans cette même branche-là, on peut transformer la viande, on peut faire beaucoup de choses qui font que dans cette même branche, on peut faire des activités énormes et je vous donne tout simplement les cas des pays européens. Vous prenez la France et l'Allemagne dans le domaine de, de, l'automobile. C'est le même produit, c'est la même branche. Mais la France a son style. Elle, a son style, elle fait des Peugeot, des ceci. L'Allemagne a des, son style, c'est des euh, Volkswagen, etc. Les Français peuvent porter leur goût sur la fabrication française, allemande, et inversement et le commerce intra-branche se développe. Et c'est ce qu'on appelle le commerce intra-branche de variété. C'est ça qui fait la force aujourd'hui du commerce international il manque ici. Donc le modèle de gravité dont on utilise dans nos pays, il montre que vraiment la proximité là, en termes d'échange, elle est là géographiquement, mais en termes d'échange, elle n'existe plus. Et ça, c'est du gros problème sur lequel il faut réfléchir. Et c'est sur ça qu'il faut agir. Et agir là, ce n'est pas attendre demain, hein, c'est tout de suite. Même s'il y a des erreurs, on peut les corriger euh, plus tard. Mais on ne le fait pas. D'accord. Monsieur Tarnou en tant que économiste. quels sont les critères qu'il faut mettre en avant pour aller vers cette monnaie unique Bon, d'abord, moi, euh, je pense qu'il ne faut pas occulter le fait qu'il y a un débat, le débat fait autour de la question s'il faut la monnaie unique ou la monnaie commune. Je suis partisan de la monnaie, de la monnaie commune, pas de la monnaie unique pour moi. Quelle est la différence La différence, c'est que chaque pays peut avoir sa monnaie, et puis dans un cadre intégré, et puis avoir une monnaie propre à l'ensemble, à la communauté. Moi, je pense que c'est plus flexible, on gagne en flexibilité. Comme il l'a dit, en ce moment, un pays a la latitude de gérer, d'utiliser les différents instruments et à sa disposition dans les instruments monétaires, ce qui n'est pas le cas de la monnaie unique comme c'est le cas aujourd'hui. Dans le cas euh, des pays de l'UEMOA, on a une monnaie unique, mais vous voyez bien que le Niger n'a pas les coups des franges pour euh, utiliser les instruments monétaires pour gérer son économie. C'est un facteur de rigidité. Ce n'est pas une bonne chose. Et c'est vrai que on gagne en synergie puisque c'est des pays, euh, si vous voulez, c'est plusieurs pays. L'Union fait la force comme on le dit. Oui, mais ce qu'on oublie, c'est que aussi, en ce moment-là, il faut avoir les capacités de faire un mouvement d'ensemble. Euh, sinon, on va être éparpillé. On est ensemble, c'est comme si on n'est pas ensemble. Donc voilà. En dehors donc de ça, moi, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à mettre en place avant d'aller vers une union monétaire et, qu'elle soit euh, commune ou unique. Il y a des préalables puisque c'est plusieurs pays qu'il faut mettre ensemble. Il faut créer les conditions. Et lui, la première condition qui est importante, euh, je pense que c'est surtout l'engagement politique. Et vous voyez qu'aujourd'hui, malgré les discours, l'engagement politique fait défaut. Il était prévu que, peut-être avant 2000, que, 2020, euh, que euh, cette monnaie unique-là soit instituée, qu'elle soit installée. Mais vous avez vu, lors de la réunion animée de, des chefs d'État, l'échéance a été euh, reportée à 2020. Donc c'est la preuve que il y a une impréparation, certains pays ne sont pas prêts et je crois qu'il était entendu que bon, on va aller vers l'union, vers la monnaie unique avec les pays qui seront techniquement prêts, comme l'a laissé entendre l'un des présidents, et on prépare à, à, ce sommet-là. La condition majeure que moi je vois, c'est surtout eh, l'engagement politique. Et ça, malheureusement, ça fait défaut dans nos pays. mais je ne je sais qu'en dehors de ça, il y a aussi les, les conditions aussi certainement techniques qui ne seraient pas peut-être euh, opportunes de développer ici. Peut-être dans un autre cadre, on peut en parler. Surtout un problème, si vous voulez, de convergence, d'harmonisation. Il faut harmoniser les politiques surtout de l'espace CDAO, vous avez des pays qui, ont, qui sont sur des modèles eh, totalement différents. Il faut donc qu'il y ait d'abord un travail de rapprochement et harmoniser les politiques, harmoniser les objectifs. Et en ce moment-là, on peut aller vers la monnaie unique. Mais même si cela est fait, le problème c'est qu'on ne va jamais eh, se retrouver dans une situation où, bon, la gestion de la monnaie serait sans problème. Ce n'est pas possible. La gestion de la monnaie, c'est que c'est une chose extrêmement extrêmement difficile et qui requiert vraiment beaucoup de technicité et beaucoup d'engagement, ça c'est évident. Il faut d'abord créer la masse critique, l'expertise qu'il faut. Et vous avez vu les pays anglophones comme le Nigeria, le Ghana, qui pendant longtemps géraient leur propre monnaie, ils ont acquis, si vous voulez, cette, euh, cette euh, expertise-là. Ce qui n'est pas le cas de nos pays qui sont habitués à recevoir, si vous voulez, pas les instructions, je ne dirais, je ne dirais pas, je n'ai pas jusqu'à ce point, mais qui évoluent plus ou moins sous la tutelle de la France, qui est omniprésente, qui est là, qui est même présente dans le, le directoire même de la, de la BCAO. Ils ont, ils ont des sièges, ils occupent des sièges. Et, et ils n'ont pas aussi occulté. Et tout à l'heure, quand on parlait des, du pourquoi de l'institution de la monnaie unique pour les pays de la CDAO, parmi les raisons qui font que les, surtout les jeunes, l'élite africaine, de plus en plus est réfractaire ou elle est hostile en tout cas à la, au franc CFA, il y a aussi le compte d'opération, le problème du compte d'opération. On pense qu'en allant vers la monnaie unique, élargie au pays de la, à l'ensemble des pays de la Cda peut-être ça va être un moyen de nous débarrasser de ce, de ce problème-là du compte d'opération qui nous, qui nous colle à la peau. D'accord, Abdo, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette question Exactement. Moi, je, disais que, je dirais que la création de la monnaie unique va poser des gros problèmes au niveau de la CDAO. L'un des gros problèmes, il est peut-être d'ordre politique. Parce que qui va piloter cette monnaie unique Quel pays va piloter Est-ce que c'est le Nigeria qui va prendre, par exemple, on prend le cas de Lyon, qui va prendre la place de la France Comment ça va se passer Si vous n'avez pas de leadership, c'est très difficile. Or, le leadership ici, là, c'est celui qui a le PIB le plus élevé. Et dans ces conditions, ça ne peut être que le Nigeria. Est-ce que la Côte d'Ivoire va accepter ça Est-ce que le Sénégal va accepter ça Je me rappelle très bien, lorsqu'on avait voulu créer même la, la CDAO, le président Sangor disait qu'il faut créer une organisation qui va du Zaïre jusqu'à Joseph, qui ne veut pas là le leadership du Nigeria. Il faut trouver un pays qui va faire le contrepoids au Nigeria. Est-ce que cette question est réglée Moi, je ne pense pas. Et je ne pense pas aussi que le Nigeria va accepter à ce que qu'il y ait un truc tournant. Ça, ce n'est pas possible. C'est un peu quand vous prenez au niveau de, la BCAO. Qui est le gouverneur de cette BCAO C'est toujours un Ivoirien. C'est toujours un Ivoirien. Pourquoi Parce que la Côte d'Ivoire pèse 44% du produit intérieur brut de toute la zone. Et la Côte d'Ivoire n'acceptera jamais à ce qu'il ait un autre gouverneur autre que celui de la Côte d'Ivoire. Et c'est le même problème qui va se poser. Le franc CFA a fonctionné parce qu'il y a la France qui est derrière. Si elle dit à ça, tout le monde faire ça, tout le monde fait. Et dès que la France se retire, comment ça va se passer Ça, c'est des gros problèmes qui sont là et qu'on ne touche pas à ces questions-là. Il faut qu'on réfléchisse sur ces genres de questions. Mais est-ce que, euh, même avec cette monnaie unique, l'Occident l'Europe, la France, comme vous le dites, et peut-être l'Angleterre, n'auront toujours pas une même mise sur cette monnaie unique. Si la France et l'Angleterre, je l'ai dit l'autre fois, si la France et l'Angleterre sont d'accord, tout ce débat est inutile. On n'allait même pas faire le débat. C'est le même jour, ils disent que créer une monnaie unique, oh, c'est terminé. Mais du moment que jusqu'à présent, ils ne sont pas d'accord, et c'est ce qui veut qu'on tergiverse. Tout ce que vous dites là, il y a eu un travail en 2009 à Nairobi. C'est la CIA qui a convoqué ça. Si vous rentrez dans le site de la CIA, vous le trouvez. La question de la monnaie unique, on était là-bas, hein. la question de la monnaie unique a été discutée. Tous les cas de figure sur le plan technique ont été signalés. Maintenant, ce qui reste, c'est l'application. Et donc, comme on n'a pas pu appliquer ça, c'est pour cela maintenant, on s'est retourné vers eh, les pays. et eh, le président euh, Issoufou qui avait pris, quand on regarde la position du Niger est idéale pour le faire. Il a pris ça. Mais à la fin, on voit que ça n'a pas encore abouti. Ça n'a pas bougé. Donc, ça veut dire qu'il y a des questions de fond. Et si on dit de partir, si les pays sont techniquement euh, prêts, ils peuvent aller vers. C'est une possibilité. Mais je me demande quand est-ce qu'ils seront techniquement alors, est-ce que la monnaie unique peut avoir des impacts euh, surtout négatifs pour des pays comme euh, le Ghana, euh, le Nigeria ou la Côte d'Ivoire Dans tous les cas, c'est ce qu'on a dit. Ils n'auront plus la possibilité de manipuler leur propre monnaie lorsqu'ils ont des difficultés financières. Donc les ajustements ne sont plus possibles. Pour le faire, il faut que l'ensemble de la communauté accepte. S'il y a une question de dévaluation, il faut que tous les pays acceptent pour qu'on fasse la dévaluation. Si c'est une révaluation, il faut que tous les pays acceptent pour qu'on fasse la, révaluation. Vous voyez, c'est un gros problème. Et de l'autre côté, si on n'aimait pas la politique budgétaire, c'est encore un, un problème. Or, les pays, s'ils disent qu'il faut une politique monétaire commune, mais ils vont se retrouver face à une situation où ils n'ont aucun instrument pour gérer leurs propres économies. Tout va dépendre donc de la communauté. Et vous voyez, ça, c'est des problèmes. Et je ne suis pas sûr si les esprits sont prêts à accepter ce genre de phénomène. Même en Europe, je vous ai dit, jusqu'à présent, <laughs> ce n'est pas, la question n'est pas réglée des impacts pour la France Oui, même pour la France, même pour l'Allemagne, même pour les autres pays, c'est comme ça. C'est parce que tout simplement la politique monétaire euh, budgétaire n'a pas suivi et il y a de gros problèmes. Et la monnaie commune dont on parle, certes, elle peut être une solution, mais elle-même, elle a, ses insuffisances. Puisque, puisque déjà, si vous prenez euh, l'Union européenne, elle a déjà passé par l'union des paiements, ensuite le, le serpent monétaire, qui n'est rien d'autre qu'une monnaie commune, qu'une monnaie commune à un certain moment, les marges de fluctuation entre les pays étaient de 1%. On a ramené ça à 2% et ensuite à 15%. Ça veut dire que ça n'existe plus. Ça aussi, c'est un autre problème qui peut se poser. Bien que moi, je suis beaucoup plus favorable pour la monnaie commune que la monnaie unique. Parce qu'elle laisse, comme il a dit, une marge de de, flexibilité qui permet aux États donc eh bien d'utiliser leur politique monétaire à des fins communes. Mais le problème qui va se poser, le niveau de nos échanges, est tellement faible que l'incidence n'est pas aussi élevée. D'accord. Monsieur Tarno Maman, le président de la commission de la CDAO affirme lors de ce sommet que les faibles résultats obtenus sur la convergence macroéconomique ne peuvent permettre d'aller en 2020 à la monnaie unique à l'ouverture justement de ce sommet de la CDAO à Niamey. Quelle est l'importance de, cette convergence macroéconomique dans le cadre de l'aboutissement de cette monnaie unique. Bon, peut-être avant de revenir à cette question, j'aimerais rebondir sur ce qu'il avait dit tout à l'heure quand il expliquait qu'il il disait que en fait euh, c'est un peu difficile compte tenu des clivages euh, géostratégiques ou géopolitiques, euh, c'est difficile d'aller vers une monnaie <clears throat> une monnaie unique. Et la réticence des pays et, si vous voulez, à accepter le leadership euh, des autres pays. Mais je crois que eh, il faut un peu nuancer ça. Et aujourd'hui, le Sénégal eh, accepte certainement puisqu'il y, a la présence de la France, et eh, le Sénégal accepte le leadership de la Côte d'Ivoire au niveau de la PCAO. On sait que de façon permanente, c'est un Ivoirien qui assure, qui occupe le, le poste de, gouverneur. Et donc c'est ça, c'est la reconnaissance même du leadership et sur le plan économique euh, de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela tout à l'heure j'avais parlé de, de, l'engagement politique. S'il y a la volonté politique, nos chefs d'État peuvent effectivement aller vers cette monnaie unique ou commune. Ça m'est égal à ce stade-là. Rompre en tout cas avec l'ancien système euh, de CFA qui est fondé essentiellement sur des, sur des accords euh, néocoloniaux que nos chefs d'État manquent de courage pour dénoncer. Et les quelques chefs d'État qui se hasardent à le faire, ils sont d'office éliminés par la France-Afrique. Vraiment, sur le plan économique, c'est clair, le leadership, il apparaît de lui-même. On n'a même pas besoin de discuter pour dire que c'est le Nigeria. S'il y a une monnaie unique ou une monnaie commune, en tout cas, le leadership du, Nigeria, il est de fait. Maintenant, les problèmes politiques, vous savez que chaque chef d'État, c'est un roi télé qui a la tête euh, d'une portion du territoire africain qu'il gère à sa guise. Il y aura des problèmes. Ce serait difficile pour ces chefs d'État de renoncer à leurs privilèges pour l'intérêt commun, l'intérêt collectif. Le problème est là. Il ne, ne réside pas ailleurs. Alors, pour revenir maintenant à, la question de la convergence macroéconomique, pour moi, c'est une fuite en avant. C'est-à-dire, voilà des pays qui cherchent des, solutions à leurs problèmes. Et on dit que pour se retrouver ensemble, il faut d'abord qu'il y ait une convergence. La convergence, c'est une œuvre de longue haleine. Ce n'est pas, c'est un problème qu'on analyse dans le cadre de l'économie de la, la, théorie de la croissance. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on enclenche un processus de convergence. Même s'il est enclenché, il peut être interrompu par eh, eh, l'influence des facteurs externes ou même des facteurs endogènes. Souvent, les, les, les, les, situations de crise politique, les guerres civiles, tout ça là, qui prennent une, une dimension ethno-linguistique ou, confessionnelle. C'est ça qui a là-bas souvent des, des, conflits armés. Et ça, ça, ça le processus de convergence. Donc, on ne peut pas me dire que pour résoudre le problème, il faut que les taux de croissance du PIB à réel soit convergent, alors que les pays vraiment ne sont pas, n'utilisent pas les mêmes politiques. Il faut un moment accepter, quand on est sale, il faut rentrer dans l'eau, se laver et puis on va se débarrasser de saleté On ne doit pas dire que non, il faut que l'eau soit comme ça, il faut que, il faut qu'il y ait du savon, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela. Des choses, toutes choses qui ne peuvent se mettre en place qu'avec le temps. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de labeur pour pouvoir Quelqu'un a dit que eh, les, les, avantages sont potentiels, mais les contraintes, elles sont réelles, elles sont toujours là. Il faut faire donc avec les contraintes. Et, et, et même au niveau économique, il faut qu'il y ait une certaine harmonisation, une certaine convergence. C'est la preuve que ces gens-là ne sont pas prêts à aller, à engager leur peuple vers un processus réel d'intégration. La preuve, ça fait combien d'années nous sommes sur l'intégration Même de cet espace-là qui est homogène sur le plan eh, historique, parce que nous sommes tous eh, issus, et eh, on a été tous colonisés par la France, on partage la même langue, on partage la même culture, plus ou moins la même histoire. Mais ça, aujourd'hui, nous sommes à quel niveau d'intégration D'accord. Mon mot à hein. Ok, M. Abdo. Ok. Cette question de, convergence, il y a en partie une réalité hein, à laquelle on ne peut pas échapper. Les pays, en termes d'endettement, le niveau d'endettement n'est pas le même d'un pays à un autre. En termes même du taux d'intérêt au sein des pays, ce n'est pas le même d'un pays à un un autre. Donc, si vous ne convergez pas vers un même taux d'inflation, un même taux d'intérêt, ça peut créer des problèmes. Il y aura des distorsions dans les politiques économiques qui vont être mises en, œuvre. Donc, nécessairement, les pays, même en, termes de taux de chômage, il faut qu'on sache à peu près si nous avons les mêmes taux de chômage. Donc, tout ça là, il faut les regarder attentivement. Et c'est ça qui va permettre justement de voir si nous convergeons vers les mêmes variables. Et si nous ne convergeons pas, c'est de gros problèmes. Pourquoi celui qui a un taux d'inflation élevé, il va faire en sorte que son taux d'inflation va se répercuter sur mon, mon, propre pays et créer encore des problèmes à l'intérieur du pays. C'est tout ça là qu'il faudra justement harmoniser. Mais seulement ça, aussi, c'est des gros problèmes. Il y a des pays qui ont des taux de chômage élevés et d'autres ont des taux de chômage faibles. Vous voyez Donc, tous ces problèmes-là, il faut arriver à donc, les aplanir, faire en sorte que lorsqu'on va aller vers la, monnaie unique là qu'on se trouve, eh bien, à peu près dans la même situation, même en termes d'endettement. Certains pays sont plus endettés que d'autres. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui jouent et qu'on doit attentivement regarder. Si on ne les regarde pas, mais on va faire des politiques distorsionnées. Certains vont bénéficier plus que d'autres. Ah oui, d'autres vont être ce qu'on appelle les passagers clandestins. Ils sont là, ils profitent tout simplement des, autres. Et ça, ça ne peut pas marcher. C'est pour cela on regarde tout ça là, attentivement. Et mais aller pour partir vers ça, ça prend du temps encore. Ce n'est pas une affaire de, deux ans, trois ans. Ça peut prendre un temps et long. Et c'est ce qui fait que c'est difficile pour converger vers Et de toutes les manières, moi, contrairement à ce qu'il dit, je ne pense même pas que ces États-là vont trouver un leadership. Je ne vois pas comment la Côte d'Ivoire va accepter à ce que le Nigeria le pilote. Moi, j'ai discuté avec beaucoup des, intellectuels euh, ivoiriens. Ils s'opposent hein, sérieusement à ce genre de questions. Or, c'est eux qui conseillent les, les, gouvernements, c'est eux qui disent voilà comment on va faire. Donc, ils voient euh, euh, au Nigeria un concurrent. Comment ça va se passer c'est des difficultés. Et si dès la eu au moins, on a eu ça, le Sénégal accepte, parce qu'il y a la France. Hein. S'il n'y a pas la France, n'est pas évident. Et le risque, on risque de se retrouver avec des pays qui ont chacun à sa propre monnaie. L'éclatement de la zone eu moins. Et si elle éclate, chacun a sa propre monnaie. Or, si chacun crée sa propre monnaie, le risque, on a peur des risques. Lesquels C'est-à-dire, quand un pays est en difficulté, il ne sait que faire, il va se permettre à faire des plages à billets. Et donc le niveau d'inflation va monter. Et là, c'est le consommateur qui va surtout payer. Et la situation économique va être désastreuse. Donc ça aussi, il faut réfléchir sur ces questions-là avant de pouvoir voir comment on va faire pour aller vers cette monnaie unique. <laughs> je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à choses. Et c'est pour cela, d'ailleurs, les États actuellement ne sont pas prêts. Est-ce que certains même sont d'accord Si on n'est pas dans une zone monétaire optimale, il va se créer des problèmes. D'autres pays eh, vont en bénéficier et d'autres seront les perdants. Et si on va dans ce sens, comment on va s'en sortir Même si la volonté politique est là, moi je regarde mon pays d'abord. Je vois est-ce que je peux gagner où je peux perdre. Si je vois que je vais perdre, mais pourquoi je vais m'engager dans un processus euh, euh, de création d'une monnaie unique Je ne vais pas accepter. C'est-à-dire ce qu'il est en train de reprocher à, cet argument-là. Il le défend euh, s'agissant de la position actuelle. C'est comme si aujourd'hui la monnaie unique là que nous avons avec le de la Côte d'Ivoire, c'est comme si c'est une situation qui nous nous arrange. Elle ne nous arrange pas. Tout le monde a vu en 94 quand il y a eu la dévaluation. Mais c'est une dévaluation qui a été faite euh, pour l'intérêt de qui Pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire et peut-être du Sénégal. Voilà les problèmes qui font qu'on doit bel et bien s'engager s'il y a la volonté politique pour trouver des solutions. Alors là, non pas à tel ou tel pays, mais à l'ensemble de la communauté. Mais si on reste, on a le regard rivé sur nos pieds. Chaque pays ne regarde que ses intérêts. En ce moment-là, mais peut-être la situation actuelle, le statu quo, ça arrange les pays qui tirent les avantages de, de l'actuel l'actuel système. Moi, quand on me dit harmonisation, ça veut dire qu'on est dans une situation de départ où chacun va dans sa direction. Maintenant, on essaie de ramener les gens vers un même objectif. Et la convergence procède euh, du même problème, du même souci. C'est-à-dire, nous avons des politiques, nous avons des taux de croissance en termes, de, en termes réels qui sont vraiment très différents ils sont très différents. La Côte d'Ivoire croit plus vite que les autres pays. Le Sénégal croit plus vite que les autres pays. Il y a des pays comme le Niger qui sont là à la traîne. Donc, il faut qu'il faut mettre en place des politiques qui vont favoriser le relevement ou la remontée de, oui, oui, des autres pays. Les peuples africains ont intérêt à aller vers l'intégration. Et il faut que cette, il faut que cette intégration soit, soit, à mon avis, il faut qu'elle soit totale, c'est-à-dire monétaire et et budgétaire et financière. Donc il faut une intégration économique et, monétaire, à mon avis. D'accord, monsieur Darno. Monsieur Abdou, en quelques mots. Oui, moi j'ai dit que à long terme nous serons tous morts. C'est ce que dit un économiste qu'on appelle Keynes. Donc cette question d'intégration monétaire, elle est fondamentale, elle est cruciale. Mais pour aller vers ça, ce n'est pas un petit problème. Prenez l'Europe. C'est l'Europe qui a donné le signal après la Seconde Guerre mondiale pour amener donc les peuples qui ont connu des difficultés entre eux donc à chose. On a commencé par l'Europe de 6 et aujourd'hui on est abouti à l'Europe de 28. Et même dans ça, on a vu le Brexit qui est arrivé. Ça veut dire que jusqu'à présent, cette question d'intégration pose encore d'autres types de problèmes. Et à l'intérieur même, le débat qu'il y a aujourd'hui, c'est sur cette question de monnaie unique. Certains pays ont des difficultés, je l'ai dit tout à l'heure ils n'arrivent pas justement à ajuster donc leur <laughs> économie compte tenu du fait qu'ils ne peuvent pas manipuler euh, euh, le taux de change. Donc ça, c'est un problème et c'est un débat qui est là. Et certains même parlent d'aller vers la fédération euh, fiscale pour donc créer les conditions, faire en sorte que l'Europe avance. Une dernière question à, tous les deux. Le président nigérien Issoufou Mahamadou euh, a cependant suggéré la mise en circulation à partir de 2020 d'une monnaie unique au sein des pays de la CDAO qui sont techniquement prêts, comme il le dit, ce sont ces termes, suivant le modèle européen avec l'euro. Est-ce que c'est possible Ce que notre président venait de dire, à mon avis, c'est un avis d'échec. ce qui était prévu, c'était de eh, mettre en place cette monnaie unique. On lui a confié, il faut la mettre en place en 2020. Mais il s'est trouvé que beaucoup de pays ne sont pas prêts, comme ils le disent, en mettant en avant des sous-arguments ou des avatars d'arguments comme quoi il faut d'abord harmoniser. Techniquement prêt, ça veut dire quoi Il faut d'abord chercher à savoir ce qu'on entend par pays techniquement prêt. Ça veut dire quoi techniquement prêt Qui sont vraiment harmonisés les pays de moi ne, sont pas, ne sont pas suffisamment harmonisés ça fait combien d'années qu'on est dans l'intégration Et si on doit atteindre cette échéance, il faut qu'en 2020, 2020 est déjà arrivé, n'oubliez pas que nous sommes en fin 2017. Donc 2020 est déjà arrivé. Ça veut dire que cette affaire-là, ce n'est pas possible. D'accord, M. Abdo Bon, moi je dirais que eh, si on regarde le pays de de l'UEMOA, quand on regarde euh, les critères de convergence entre les pays de l'UEMOA, la plupart remplissent ça. C'est ce que je, remarque, y compris le Niger. En tout cas, selon les chiffres officiels qu'on voit. Donc, la plupart remplissent ça. Donc, pour moi, peut-être il y a quelques-uns qui vont un peu euh, améliorer leur politique et aussi rejoindre ça. Donc, les pays de l'UEMOA, je peux dire qu'ils sont techniquement Prêt. Même si la pauvreté se retrouve dans ce pays-là, le taux de pauvreté est beaucoup plus élevé dans ce pays-là. Mais les autres pays anglophones, lusophones et même francophones, parce qu'à la côte, la Guinée, ces pays-là, est-ce qu'ils sont techniquement prêts Oui, a la Guinée, quel est le pays qui est techniquement prêt Est-ce que le Nigeria est prêt pour aller Est-ce que le Ghana est prêt pour aller. C'est ça. Donc, comment ça va se faire C'est entre Hein, c'est entre les pays et, de la seconde zone monétaire. Là. Ce n'est pas au niveau de l'UMOA que le problème va se poser. Donc, même s'ils sont techniquement prêts, est-ce que sur le plan politique, les choses peuvent aller telles que on le souhaite Est-ce que la France va accepter justement de renier donc euh, son compte d'opération, etc. Ça, c'est de gros problèmes qui vont se poser. Est-ce que de l'autre côté, l'Angleterre va accepter ce même phénomène, bien qu'aujourd'hui l'Angleterre n'est même plus dans l'Union européenne. C'est encore d'autres problèmes. Est-ce que les pays lusophones là, mêmes même qui sont liés à, d'autres pays, est-ce que les autres pays là vont laisser à ce que ces choses-là euh, se fassent normalement Donc il y a toutes ces questions-là qui se posent selon les deux experts en économie que vous venez d'entendre, aboutir à une monnaie unique relève d'une volonté politique réelle. Pour l'instant, les pays ne sont pas encore prêts pour aller vers cette monnaie nous sommes donc au terme de ce forum du studio Kalangou. Dans ce studio, nous avons eu comme invité M. Tarno Moman, enseignant-chercheur en économie à la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Niamey et M. Abdou Hassan Maman, enseignant-chercheur en économie à la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Niamey. Je vous donne rendez-vous pour un autre forum du studio Kalangou demain à partir de 18h15. Merci et au revoir.